Alors là, pourquoi on a commencé par femme de pauvreté Parce que nous savons, tous que la femme comme les enfants sont vulnérables. Et cette pauvreté est due au fait que la plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits, la plupart des femmes sont analphabètes, la plus, par des femmes aussi occupent des postes subalternes. Et lorsqu'une femme est pauvre, ses droits ne sont pas protégés. Elle est confrontée à une double discrimination à raison de son genre et de sa situation économique, alors que cette femme, sa famille, sa communauté et l'économie en souffrent. Le deuxième point, c'est femmes, ces femmes, euh, l'éducation et la formation des femmes, je le disais tantôt. Donc, euh, les statistiques euh, mondiales de l'UNESCO, par exemple, on dit, disent que deux tiers des 875 millions de femmes euh, chez les adultes euh, sont représentées par les femmes. Pour dire euh, combien le taux d'analphabétisme est, est, important chez les femmes. alors que pour que les femmes puissent accéder à l'égalité des sexes et devenir des agents de développement, l'éducation est un facteur indispensable, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle on nous dit que l'éducation, c'est le levier du développement. Et si une femme n'est pas éduquée, si une femme euh, n'a pas un niveau de but. Nous, le voyons tous les jours dans les activités que nous menons, que la femme arrive mal à suivre ses enfants, la femme arrive euh, mal à avoir certaines informations, par exemple par rapport euh, à, son, à, ses droits. Et bien que les femmes et les filles bénéficient actuellement d'une éducation bien plus poussée que jamais, il reste la lacunes à combler. celle celles ayant une éducation et un atout, et même ceux qui ont une éducation parfois subissent les pesanteurs euh, culturelles euh, de nos communautés. Donc euh, c'est la raison pour laquelle ce point 2 a été donc apporté, ainsi que la formation des femmes, parce qu'on se rend compte que la femme peut avoir un certain niveau, mais sur le, côté leadership par exemple, si elle si euh, à, part son leadership, si, si, si la formation n'est pas bonne, euh, ça peut euh, être une contrainte pour le son développement donc, professionnel. L'éducation et la formation constituent donc des outils de lutte contre les stéréotypes sexistes préjudiciables. Nous avons aussi les femmes et la santé. Nous savons que la femme acceptent euh, accèdent très difficilement aux services sociaux de base et plus particulièrement à la santé, santé de la reproduction. Et euh, les femmes doivent être en bonne santé pour réaliser leur plein potentiel. La santé englobe la nutrition, les droits en matière de sexualité, de créativité la santé mentale ainsi que l'absence de violence. Et, nous savons que cette couverture, il y a beaucoup d'États qui essaient de le faire, mais même si vous regardez le rapport, euh, par exemple, euh, de la société civile, nous savons que cette partie occupe un point euh, assez important sur le défi qui reste pour la promotion de la santé des femmes. L'autre point, c'est la violence envers les femmes. Elle est la plus visible parce que nous le vivons tous les jours. Euh, euh, la violence fait souffrir les femmes et les filles et empêche de s'épanouir dans multiples euh, domaines. Et depuis la conférence de Beijing, les deux tiers des pistes signataires ont adopté des lois visant à mettre fin. La, le directeur de cabinet est revenu là-dessus. C'est vrai que même dans les documents que nous lisons et le travail que nous faisons de tous les jours, on se rend compte que le Sénégal a une grande avancée en termes de loi, de convention, donc en faveur de la promotion euh, des femmes. Euh, mais nous continuons à vivre ces violences. Madame est l'a dit tout à l'heure. Ou quel est le problème Nous avons essayé de pousser pour essayer de voir, de trouver des solutions et d'apporter des propositions pour le régime 2020. Euh, l'autre point, c'est les femmes et les conflits armés. Parce que de plus en plus, nous avons constaté que euh, les femmes sont les plus vulnérables. Parce que euh, le viol constitue un arme de guerre de plus en plus dans les pays en guerre. Et, c'est les plus qui souffrent, ce sont les femmes et les enfants, alors que les violences sexuelles sont très répandues. Et souvent, bon, ce que je disais tout à l'heure, nous... Peut-être nous ne souhaitons pas la voir au Sénégal, mais les pays qui sont en conflit, nous voyons que euh, ce sont les femmes qui essaient de fuir avec les enfants, ce sont les femmes qui essaient de prendre en charge les enfants, malgré leurs conditions de vulnérabilité et de pauvreté. Nous avons les femmes et l'économie. Euh, ça, c'est un point euh, qui, pousse HNL à participer à la campagne mondiale pour euh, euh, le vote de la Convention 190, M. l'a a dit tout à l'heure, et pour que les recommandations 2006 aussi soient faites par rapport euh, à ce point. Parce, qu'on s'est rendu compte que la femme occupe toujours les postes subalternes. Et nous, ce que nous avons remarqué, c'est que de plus en plus, dans le secteur privé, nous voyons moins de femmes. Moi, je donne l'exemple des écoles privées. On voit moins de femmes dans les écoles privées, dans les restaurants, on voit moins de femmes. Pourquoi Parce qu'ils se disent que la femme, c'est elle qui accouche, elle prend son temps pour ses congés, elle va, parfois c'est son enfant qui est malade ou bien parfois c'est son mari qui est malade. Donc c'est une forme de discrimination qui fait que les femmes ne puissent pas euh, avoir accès à une économie euh, considérable. Alors l'autre facette aussi qu'on ne dit pas souvent, c'est que la femme fait des, euh, fait des, une de travail euh, important. Nous, nous, avons le travail invisible des femmes qu'on euh, ne valorise pas souvent. La femme, même euh, une femme qui travaille, elle va à la maison, c'est elle qui fait le, repas, elle qui s'occupe des personnes âgées, euh, du, du bébé. C'est elle qui fait tous les travaux qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas rémunérés. Donc ça aussi, ce sont des surcharges de, de travail qui font euh, donc l'évolution des femmes euh, sur, le plan économique. Et si nous regardons aussi, c'est difficilement qu'on ait un pourcentage important de femmes. Et les statistiques montrent que euh, les, femmes perçoivent moins 50% de ce que les hommes perçoivent. Donc c'est assez important, raison pour laquelle donc, ce point a été ajouté parmi les points critiques point ces femmes au pouvoir et dans la prise de décision. Là aussi, c'est un problème que nous, euh, nous, vivons tous les jours. Même au niveau des postes de responsabilité, on voit moins, les femmes. Et on nous dit souvent que c'est parce qu'elles ne sont pas instruites, elles n'ont pas un certain niveau. Et même les femmes qui acceptent à ces, ces euh, positions, ont des difficultés. Parfois, euh, c'est les pesanteurs, c'est le norme social négatif qui pèse sur elles et qui les empêche de faire convenablement leur travail. Euh, oh, par exemple, euh, le Sénégal est en avancée aussi par rapport à, à, ce point. Maintenant, on parle de 20% plutôt des femmes qui sont dans le gouvernement, mais on se dit que nous pouvons encore pousser pour euh, arriver à une égalité hommes-femmes dans les instances de décision. Et je le disais tantôt, pour arriver à la réussite de tous ces, de tous ces points et ces engagements, il était important de mettre en place des mécanismes institutionnels œuvrant pour la promotion de la femme. Euh, parce qu'ils jouent un rôle important et elles orientent les lois, les politiques et programmes et font progresser l'égalité des sexes. Des lois et politiques solides couplées à des mécanismes renforcés visant à coordonner les acteurs, euh, les différents acteurs et, à assurer l'application efficace de ces lois et politiques pour vous faire euh, évoluer les choses il y a les droits humains des femmes. Les femmes et les filles doivent pouvoir bénéficier de plein d'exercices de tous nos droits. Euh, et pour la déclaration du programme d'action, euh, cela confirme la protection et la promotion des droits humains incombe hein, au gouvernement et qu'il s'agit des considérables essentiels dans le travail des États-Unis nous avons les femmes et les médias. Cet, engagement est important parce que là, on se dit que la femme est tellement euh, caricaturée euh, au niveau des médias. Toujours, c'est l'effet du divers, ce sont les femmes qui sont mises en avant. Et il y a une image très négative des femmes. Alors, on se dit que si, les femmes arrivent à accéder aux médias avec des postes de responsabilité, ça va permettre à ces femmes de revoir euh, l'image donnée donc, à la femme. Euh, de, pouvoir sortir, euh, euh, comment les efforts qui ont été faits dans le cadre de la promotion, mais aussi de valoriser la femme. c'est la raison pour laquelle ce point nous semble important et peuvent aussi présenter les femmes. Oui, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. il y a femmes et environnement avec les changements climatiques, avec la résilience et tous les autres par rapport à l'environnement, la position de la femme est aussi importante pour pouvoir euh, prendre en compte tous les aspects liés aux ressources naturelles et aux ressources productives et l'accès à la terre aussi pour les femmes. Et nous avons la petite fille. Pourquoi la petite fille est, venue s'ajouter à cet engagement L'honorable député l'a dit, tout à l'heure, il nous faut euh, préparer la relève. Et nous savons que la petite fille, dès le bas âge, a, commence, a commencé à subir euh, les violations qui sont faites aux, femmes. Parce que étant, étant femme, étant fille, on te dit, euh, par exemple, pour l'accès à l'éducation, c'est un problème, on favorise les garçons. Et même sur le plan sanitaire aussi, c'est les, les, garçons qu'on privilégie le plus. Et l'autre chose aussi pour les femmes, euh, dans le ménage, je qu'il y a beaucoup de femmes, pour quelques femmes, euh, qui est laissée en, en, en rade. Donc euh, la vie aussi, on doit le préparer très tôt. Et tout à l'heure, l'honorable a parlé de la mise en place des clubs de filles qui nous semble aussi important pour conscientiser très tôt les filles afin qu'elles puissent savoir leurs droits. Et commencer très tôt aussi à pouvoir travailler sur toutes les, euh, les aspects relatifs euh, à la promotion des filles et des femmes. Donc voilà d'une manière générale les 12 euh, euh, points prioritaires qui ont été soulevés à Beijing. Pourquoi il est important de faire, cette présentation Je suis en une euh, demi-journée pour cette atelier. Mais il me semble qu'avec déjà la première présentation et toute cette masse d'informations, et certainement les présentations qui vont suivre, et certainement les débats qui vont être organisés, va nous amener jusqu'à peut-être un peu de là. Mais bon, on va essayer de gérer. Allez, un peu vite. Euh, alors, euh, l'exercice qu'on va faire, c'est un peu situer euh, le travail de Mais avant cela, on voulait euh, d'abord nous plonger un peu dans le contexte international et national qui peut-être pourrait être défavorable aux à l'atteinte des engagements de BG. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte nous sommes dans un contexte marqué par des conflits dans la sous-région, mais également avec d'autres phénomènes qui apparaissent et qui ont des influences directes sur l'atteinte des engagements de nos États. comme vous le savez, le pacte mondial ainsi que la déclaration de Beijing reposent sur les, débuts et les principes consacrés euh, par la Charte des Nations Unies et veille à ce que les droits de l'homme, des femmes et des filles soient pleinement mis en œuvre en tant que partie inaliénable, euh, intégrale et indivisible de tous les droits ça veut dire que les engagements que, nos États ont pris, c'est des engagements qui, ont été influencés aussi par les, conventions internationales, etc. Donc ça veut dire que même si c'est des engagements qui sont volontaires, mais ces engagements sont influencés par ces, conventions-là. Et donc du coup, ça a un caractère plus ou moins euh, obligatoire pour que les États essaient de les domestiquer et les appliquer. Bien que les résultats notables ont été constatés dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes, au Sénégal, il reste encore des jamais à parcourir pour atteindre les engagements de BG. Cette situation est liée en grande partie au partage inégal du pouvoir économique, politique entre les deux sexes. je sais qu'il y, a beaucoup de données statistiques qui ont été avancées, même si on a des lois qui effectivement euh, promeuvent la, euh, parité, etc. Mais nous constatons que il y a quand même quelques disparités entre les femmes et les hommes, euh, euh, tout ce qui est l'accès à certains postes de décision. Il est, euh, il est généralement admis que le, néolibéralisme, donc, caractérisé par son système capitaliste, l'austérité budgétaire, l'austérité économique, la privatisation des services publics, les inégalités, ont frappé durement les femmes. on n'a pas besoin de donner des statistiques sur ça, il suffit juste de voir les conséquences au niveau des foyers, des conséquences au niveau national, pour voir que les femmes sont les plus impactées. Si vous voyez les activités, euh, que ce soit informelles, les activités formelles, les femmes, euh, en tout cas, représentent en tout cas, un nombre important, un nombre significatif. Mais, et donc, de, la même manière, elles sont touchées durement par les conséquences de cette politique néolibérale qui euh, souvent appelle à une diminution les effectifs. Et quand on pense diminution d'effectifs, on pense d'abord à réduire les femmes, parce que, comme on, euh, le remarque souvent, euh, certaines institutions considèrent que euh, la prise en charge des femmes coûte cher. Parce qu'une femme qui travaille, peut-être elle va tomber enceinte, ensuite elle va avoir congé de maternité. Donc ce sont ces calculs, souvent, qui sont plus économiques que voir comment la femme produit en tant qu'actrice économique. Et ça, ça plombe les engagements, les initiatives qui sont prises. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, le travail non rémunéré et sous-payé des femmes est la plus grande subvention dont bénéficie le capitalisme. C'est-à-dire le fait qu'on ne capitalise pas, on ne comptabilise pas le travail non rémunéré, ça constitue aussi un manque à gagner parce que c'est des choses que les, euh, certains systèmes euh, aiment promouvoir parce qu'ils ne payent pas. C'est ce qu'on appelle souvent c'est invisible, le travail de l'ombre, on a, on des travaux où, un travail où il n'y a pas de contrat, il y a, etc., etc. Donc tout ça, ça profite à l'autre. Si, même si on ne le dit pas, mais c'est ce que cela veut dire en réalité. Ça dit que ça profite à une autre partie euh, qui profite, par exemple, de d'une personne ou d'un travail moins qualifié, qu'on paye moins, on peut prendre plus, mais il n'y a pas de contrat qui suit, il n'y a pas de de prise en charge sociale, etc. Donc du coup, ça continue à maintenir le budget. L'autonomisation économique des femmes préconise euh, euh, donc de leur faciliter un accès plus important et un meilleur contrôle aux ressources. Donc si nous, nous voulons aller vers une euh, autonomisation économique, il faut que les femmes aient accès et contrôlent les ressources productives, la terre, l'eau, les semences, etc., etc. les équipements agricoles. Il faut que les femmes arrive à contrôler ces, ces, ces, euh, ces ressources-là. Parce que, comme on dit, c'est un moyen de pouvoir. Si j'ai la terre, je peux décider de ce que je veux faire de cette terre, je peux décider de quel type de semence je veux cultiver, quel type de, de, spéculation je veux cultiver, je peux décider de comment je vais transformer, dans quel marché je vais vendre, parce que j'ai l'information qui me permet de décider comment je dois faire. Et ça, c'est un pouvoir. Et quand on a ce pouvoir-là, c'est important parce qu'on on a un pouvoir de décision. Et ce pouvoir nous permet également d'avoir une certaine reconnaissance politique aussi, parce que le pouvoir économique a un lien directement avec la promotion politique des femmes. Parce qu'une femme agricultrice qui peut cultiver 300 hectares, elle transforme ses produits, elle voit, elle a des revenus. Et ces revenus lui permettent d'améliorer sa position au niveau social. Et elle, elle, a, elle, est une voix, elle porte, sa voix porte au niveau communautaire. Alors, nous allons très rapidement faire une petite euh, euh, parenthèse, peut-être pas parenthèse, mais parler également de, du travail d'actionnaire et comment ça contribue à l'atteinte de Beijing parce que je pense qu'on l'a dit depuis ce matin, mais il serait bon de le refléter avec des statistiques, etc., même si ces statistiques-là pourraient être améliorées euh, avec peut-être une étude beaucoup plus poussée pour vraiment avoir des données actuelles. Mais en tout cas, pour nous, on a pensé utile d'aller dans le sens quand même de partager ces éléments-là. De la même manière, que l'État enfin, comme on dit, le rapport national existe, mais également un rapport de la société civile a été élaboré et ces informations pourraient également contribuer à enrichir. Donc le plan d'action de BG nous donne une opportunité de traduire les engagements pris en actions concrètes sur le terrain. Euh, Action Sénégal est connue comme étant une organisation qui s'appuie sur l'approche basée sur les droits humains pour promouvoir la justice sociale, la justice économique en ciblant les communautés les plus vulnérables, en mettant le focus sur les femmes et les filles. Cette contribution s'aligne aux objectifs du PSE, parce que comme vous le savez, nous, nous prenons des engagements auprès de l'État, parce que c'est l'État qui nous donne l'autorisation d'intervenir à travers ce qu'on appelle un plan d'investissement ou un accord de siège. Et dans ce plan d'investissement, il est clairement stipulé que Actionnaire Sénégal donc, contribue à l'atteinte de, de, la politique publique du Sénégal. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait que cette collaboration que nous avons avec l'État est, peut-être euh, a été facilitée par par le fait qu'on signe des conventions avec l'État, mais sur le terrain également, ça s'explique par le fait que l'État est souvent euh, disponible et répond à nos invitations, à nos actions, et ça, je pense que c'est important. Donc, euh, et, elle se traduit par une franche collaboration qui existe entre les, organisations de la société civile, les acteurs étatiques. On a parlé du Parlement, les syndicats représentés ici par la CNS. Je pense que Malik en a parlé lors de la cérémonie d'ouverture et Khadjata également aussi renforcer cette position. Donc nos réalisations sur le terrain, donc comme je dis, on a 80 espaces de gouvernance, euh, ce qu'on appelle des cercles de réflexion action. Parce que comme elles l'ont dit, euh, ce que nous avons concrètement, c'est qu'on a des espaces de dialogue communautaire, des espaces où les femmes, les hommes échangent, discutent de leurs problématiques, essaient de les prioriser. Et c'est à partir de là-bas qu'ils développent notre plan d'action. Et ce plan d'action est partagé au niveau national par l'ensemble des partenaires et qui est, euh, euh, comment il s'appelle, combiné en un seul plan d'action annuel. Et ça, c'est des préoccupations qui viennent des communautés et qui sont portées, accompagnées par l'actionnaire. 10 femmes championnes, on l'a dit, qui accompagnent les communautés. Aujourd'hui, chaque femme est, porteuse d'une fédération où il y a des centaines de centaines de femmes derrière. Et, ça, ça, ça, ça, ça fait un effet boule de neige. C'est-à-dire que si on a une femme leader qui forme d'autres femmes, d'autres femmes qui forment, etc., etc., euh, à la fin de la journée, on serait à des milliers et des milliers de femmes formées. Et, ça, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir une transformation sociale, une transformation économique des femmes. 117 leaders religieux engagés euh, à nos côtés. Comme on l'a dit, la promotion des droits des femmes est souvent très difficile dans des zones où on a ce qu'on appelle les normes sociales, souvent négatives. Euh, vous voyez, dans certaines communautés, on nous dit la femme n'a pas droit à la parole. La femme ne doit pas parler devant le chef du village, ou etc. etc. Pourquoi Parce que c'est nos justes coutumes qui font que la femme a été socialisée ainsi. Et c'est très difficile de déconstruire cela. Et pour le faire, il faut travailler avec les, chefs religieux, les, autorités euh, coutumières, etc., pour quand même porter le plaidoyer ensemble. Pour ne pas donner l'impression qu'on est en train d'opposer les hommes aux femmes. Mais plutôt, c'est une démarche complémentaire, et puisque notre approche est communautaire, et ça nous facilite le travail, euh, et, ça nous permet d'atteindre des résultats. Euh, 26 000 261 000 femmes formées en leadership. Donc ça, c'est un résultat que nous avons atteint, comme je dis, euh, qui pourrait être encore vérifié parce qu'on peut avoir plus. Mais on a été modeste parce qu'on travaille dans trois, euh, trois, régions. On sait qu'on a des cibles beaucoup plus larges que ça. Mais si on prend les cibles directes, on peut être à 261 000, mais ces 261 000 peuvent aller jusqu'à 2 millions, 3 millions. Euh, c'est en fonction de, nos, interventions que nous faisons. Et aussi bien au Sénégal, comme l'a dit, le travail d'Elisa qu'elle fait au niveau du Sénégal, de la Gambie, du Nigeria, dans le cadre de, la protection des droits des femmes migrantes ou même des femmes de manière générale, contribue également à cela. Parce que si on sensibilise, si les femmes sont sensibilisées sur leurs droits, etc., mais c'est ça, Belgique. Parce que BG, c'est également traduit en, action concrète les décisions, les engagements de nos États. Ce n'est pas juste que ça soit écrit dans les rapports, etc., mais que ça se traduise sur le terrain à travers les conditions de vie, à travers le leadership, à travers euh, tout ce qu'elles ont comme accès aux services publics, notamment la santé, l'éducation, etc. Euh, 63 structures de lutte contre les violences qui existent. On a parlé des parajuristes, on a beaucoup travaillé avec AGS, avec d'autres structures, pour vraiment former les femmes, former les jeunes, avoir des brigades de veille pour prévenir les violences. Parce que pour nous également, il s'agit de préparer ces acteurs-là et ces actrices-là à prévenir les violences. Et en même temps aussi à les, gérer une fois que les violences surviennent. Et ça, c'est pour nous, c'est très important. C'est pourquoi les former euh, constitue un, en tout cas un, un fort dans le cadre de la transformation. 2030 jeunes volontaires engagés dans le développement communautaire. Nous avons ce qu'on appelle des clubs activistes dans nos différentes communautés, des jeunes. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, euh, euh Actionnel Sénégal est membre de ce qu'on appelle la plateforme mondiale sur le, volontariat, etc. Euh, notre collègue vient d'une formation euh, de, deux semaines sur tout cela, qui nous permet de, de, de ratisser l'arche et de travailler avec les jeunes du Sénégal, de les préparer parce que comme le disait notre euh, honorable député, il faudrait réfléchir sur comment les jeunes vont prendre la relève. La citoyenneté active, la citoyenneté agissante, il faut qu'on forme les jeunes et actionner dans ça aussi. Alors, 26 périmètres avec un minimum de 2 hectares soutenus par, euh, par 13 banques de semences. Donc, nous travaillons également dans la promotion de l'accès euh, des femmes à la terre. On a ce qu'on appelle des accès euh, collectifs et des accès individuels. C'est-à-dire qu'on a des zones où les femmes constituent euh, des groupements pour aller demander la terre. Elles peuvent avoir 2 à 5 hectares. On a des zones où on a des femmes, comme le disait d'Essa, où elles font des demandes individuelles, où elles ont le propre type de propriété et qui leur permettent de pouvoir jouir de ces ressources-là, de pouvoir décider. et, et ça, pour nous, c'est important. Quand on parle de promouvoir le leadership féminin, promouvoir la participation, promouvoir, etc., Donc ça entre dans ce cadre-là. Trois jardins intégrés d'une valeur de 15 millions chacun. Ça à dire que ce que nous faisons, on a ce qu'on appelle des champs écoles, des jardins où les femmes expérimentent des techniques culturelles, etc. Elles font la promotion de l'agriculture biologique. Et pour nous, ça c'est important, dans un contexte où euh, on a ce qu'on appelle l'obésité, les malbouffes, etc. Donc il serait bon de promouvoir des, des techniques culturelles qui permettent d'assurer la nutrition, d'assurer la sécurité alimentaire, la nutrition, la souveraineté alimentaire et permettent également de prévenir contre les maladies, etc. donc l'agroécologie également est une de nos, euh, en tout cas, comme on dit, euh, de, nos, de, nos, points forts. Donc 150 avec, avec c'est des associations villageoises d'épargne et de crédit. Comme vous le savez, euh, c'est un système d'accès au financement alternatif au niveau des mondes ruraux on a remarqué que les femmes, de plus en plus, ont peur d'aller demander et prendre crédit au niveau des banques parce qu'il y a des taux d'intérêt élevés. Ce que nous avons fait, à travers les cercles que j'ai annoncés, chaque cercle a une caisse avec. et, ces caisses-là, je vous donne juste un exemple, un village où les femmes ont commencé avec 0 francs, aujourd'hui sont à 5 millions. Sans taux d'intérêt, tu peux prendre un prêt, euh, faire ton business, rendre l'argent, sans que tu sois inquiété. Et l'originalité, c'est qu'on a ce qu'on appelle une contribution solidaire. Donc une fois que tu viens rembourser, il y a la contribution solidaire. Elles sont là, elles peuvent témoigner parce qu'elles sont toutes euh, responsables de ces caisses avec là, qui leur permettent aujourd'hui de développer leur business, de faire des activités sans pour autant avoir euh, peur des, banques. Mais également, elles prennent en charge les besoins des familles. Parce qu'aujourd'hui, les caisses de solidarité permettent en tout cas aux membres de pouvoir euh, prendre en charge l'éducation des enfants, euh, euh, l'état civil, si les enfants doivent être euh, donc enregistrés, tout ça. Et c'est quelle de solidarité certes. Et il y a une de nos, je pense à Koussanat, où les femmes nous disaient que la veille de la tabaski, c'est la caisse qui a permis à chaque femme d'acheter un bouton pour leur mari. Et donc ça veut dire qu'elle joue pour rôle important. Et pour nous, c'est ça Beijing. Ça dit que Beijing, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de transformer les communautés à travers ces initiatives, ces activités, etc. Et donc si aujourd'hui on continue à renforcer ces initiatives-là, mais on va éradiquer la pauvreté. Donc on a deux plateformes régionales de femmes, Bantaréobé, qu'on a créées. La présidente de la plateforme de Tambacounda est là, à euh, Opahanera. Donc une plateforme de plus de 2000 femmes dans la zone, aussi bien à Kédougou comme à Tambacounda. Donc elles continuent vraiment à faire le travail, elles sont dans la transformation, elles sont dans d'autres activités connexes, dans la transformation de bananes, dans les céréales locales, etc. etc. Elles participent aux foires locales, aux foires régionales et aux foires nationales. Alors ces acquis s'ajoutent aux nombreux autres acquis, donc euh, depuis 1995, présentés par l'État du Sénégal, mais également les organisations de la société civile. Donc approche construite sur le renforcement des capacités des organisations communautaires pour en faire des acteurs le changement dans notre communauté. Donc là, on a aussi la campagne mondiale, la campagne nationale, donc contre euh, les, violences faites aux femmes, pour un travail décent, les services publics sensibles aux gens. Donc cette campagne a été lancée l'année dernière par avec la CNPS et ça va se poursuivre euh, au niveau national avec des activités qui vont effectivement cibler les femmes euh, dans leur milieu du travail, mais également les femmes au niveau du monde rural. Alors, euh, euh, rapidement sur l'influence du contexte national et international sur l'atteinte des 12 domaines. Donc, on a parlé de la crise financière internationale, qui est une des risques. Hein, un risque qui pourrait effectivement euh, plomber les efforts, parce que ça peut avoir des conséquences face sur la mobilisation des ressources des bailleurs. Parce que vous, n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, le contexte fait que certains bailleurs qui finançaient le développement dans des pays, ont réduit leur intervention. Et donc, peut-être que c'est stratégique, mais également c'est dû au fait que la crise financière fait qu'on réoriente les stratégies pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, on parle de, sécurité dans le monde. Les gens, les budgets de sécurité euh, donc, ont, connu une augmentation comparée au budget de développement. Les budgets pour lutter contre l'immigration, irrégulière, a augmenté contre le budget du développement. Une étude de la fondation, euh, euh, la fondation euh, comment ça s'appelle, Rosa Luxembourg, de la fondation Ebert, non, non, la fondation qui là Enrich Boll, voilà. Enrich Boll nous a effectivement montré de manière claire que, en tout cas, les transferts des migrants, donc si on le compare avec les financements dans le développement, avec les fonds fiduciaires, on, on s'est rendu compte que euh, les, transferts des migrants ont augmenté parce qu'ils sont à 8 000 milliards, alors que les fonds fiduciaires, euh, le, financement dans le secteur développement est à 2 000 milliards. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas photo. Donc si on continue à renforcer la migration, on continue à, permettre à ce que les jeunes aillent en Europe, mais de manière légale, travailler, envoyer dans leur famille, vous voyez quel rôle ça peut jouer. La, la montée du racisme, la xénophobie, la, la féminicide pourrait euh, effectivement réduire les transferts des migrants, etc. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en Europe particulièrement, il y a une montée du populisme, il y a une montée de l'extrême droite qui instrumentalise la migration. car Beijing plus 25 s'attachait à 12 domaines critiques pour les femmes. Mais nous nous sommes rendus compte depuis lors que la question est d'abord une question de société une question de développement, il faut que les hommes et les femmes continuent à travailler ensemble, à interagir dans la complémentarité et dans la co-responsabilité. Et c'est ça qui fera avancer la société. Et c'est ça le premier, la première avancée que nous avons dans les ODD. Aujourd'hui, on, on, sait qu'il faut que les hommes et les femmes travaillent ensemble pour que les choses avancent. Les femmes ne pourront pas progresser seules les hommes ne pourront pas progresser seuls. L'honorable Dieu l'a dit, c'est qu'il faut marcher sur deux pieds. Donc, la démarche est, une démarche d'interrogation. nous devons éviter l'autosatisfaction. Nous avons eu des avancées. Il n'y a pas de problème. Nous sommes passés de la parité à la parité. Ah, tout, au moins, la loi a été adoptée et mise en œuvre. Voilà donne le bon exemple. Mais peut-être qu'à l'intérieur du pays, il y a d'autres exemples qui sont moins heureuses, euh, qui sont moins heureux nous avons eu l'équité fiscale, euh, nous avons eu également la capacité de la femme à donner euh, euh, la nationalité à son époux et à ses enfants, et la capacité de les prendre en charge. Monsieur le Président de la République, Macky vient de prendre la décision de rendre gratuit le traitement par chimiothérapie du cancer féminin. Aujourd'hui, il vient de décider de, de, saisir l'Assemblée nationale pour la révision du code pénal pour davantage euh, protéger les femmes en criminalisant le vol et la pédophilie et même en envisageant le, la réclusion criminelle. Cela veut dire qu'il y a une ambition, politique, une ambition politique très forte qui est là dans notre pays et une instance comme celle-ci peut nous permettre véritablement d'accompagner cette démarche pour aller de l'avant. Je voudrais donc, sur ce rapport-là, vous dire que nous, ne sommes, nous, allons, éviter l'autosatisfaction, mais nous allons savoir que nous avons des acquis à consolider et des points sur lesquels il faut euh, véritablement pointer pour aller de l'avant. Et, je suis heureux que cette instance soit réunie, les organisations syndicales, merci beaucoup, euh, chers partenaires, les organisations de la société civile, les ministères sont là et je pense que tous ensemble, nous pouvons apporter notre contribution sur les avancées que nous voulons réaliser. Et sur ce rapport là je voudrais donc, Madame, Monsieur le Directeur, vous remercier et vous féliciter et apprécier ce qui est en train d'être fait et comprendre que c'est une contribution importante qui est en train de se faire. 2020, ce sera de grandes opportunités, de grandes occasions. La communauté internationale va se retrouver à Mexico et à Paris pour célébrer la communauté internationale va célébrer le 20e anniversaire de la résolution 1325. Les femmes africaines sont au Sénégal. Ça veut dire que, en fait, nous apparaissons bien. Notre image est positive. nos, nos, nos autorités politiques sont engagées, nos organisations sont très engagées et ensemble, nous devons continuer à identifier les points qui ralentissent notre marche et cela, si nous le faisons, ça va être bien. Je voudrais donc vous remercier tous pour votre instance

tey war nañoo def lépp pour accompagner leen ci action aide dina leen ci continuer accompagner organisation yi nekk fii danañ ci def seen camp lay kàttan ñun li ñuy def ñu ngi koy def ci bu ñu amee parlement bi suñu wet gouvernement bi day daal di kontaan day daal di am doole kon ñu ngi ànd ak yéen di sant bu baax suñu député bii nga xam ne moo ñëw taxaw nee na nañu fexe ba fu ngeen nekk comme ni ko Samba Xeye waxee nañu def ay club de jeunes fii champion bu nekk dëkk bu nekk na fa teg jël fii pour que jëmtukaay yi ak kàttan yi ak man-man yi ñu jëmbat ko ci xare yi buñ ko jëmbatee ci ñoom réew mi yëpp ay jëm ci kanam am na nguur gi bëgg na liggéey boo te li muy bëgg a def mënu koo def toujours même ko ci jàppale defe naa ndaje bii dina indi ñëpp ñu gën am xam lan la ñuy def bu mën a waajal euh, occasion bi nga xam ne ñu ci leen jëm ñu ngi am kontaan te lool ci turu soxna Ndeye Saly Diop te di wax leen ni que li ñu taseeg yéen ñi incha allah danañ ko ko nettali da leen gën a bokk ci bilan bu Sénégal fu ñuy liggéey war ngeen cee bokk am ngeen ci wàll te yéen a ci indi ñoo ngi sant bu baax organisation yi fi ñëw ñi ngi sant ministères yi ñi ngi sant euh, syndicats yi nga xam ne ñoo taxaw ci wetu ONG bi di sant parlement bu baax yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi dimbali ñu sotti ñu xéewal ba li ñu yóotu ñi nga xam dañoo bëgg Sénégal jëm ci kanam ànd ak àddina bi yëpp yàlla may ñu ko te ñu àndandoo ko ak suñu njiit àndandoo ko ak suñuy sëriñ àndandoo ko suñuy góor ak suñuy jigéen ak suñuy xaleel comme ni ko président ko honorable waxee tam lépp loo xam ni dafay gën a dooleel xale yi ñu jàppale leen ci kon yal nañu yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli ko ci àddina ci biir ñaan boobu laay euh, je déclare donc au nom de madame le ministre ouvert le panel analytique sur Beijing plus 25 je vous remercie